nous euh, gis sont des avocats de l'État Comment expliquer. Wa avocats ils sont dans le rôle dañ pour défendre l'État l'État c'est une personne morale de droit public. qui État. L'État c'est une personne morale de droit public l'État c'est pas le gouvernement l'État c'est une personne morale de droit public le gouvernement est État. bon c'est une entité. c'est pas quelque chose que xam ne mais ça regroupe toutes les institutions ça regroupe tous les corps de la société ça regroupe tous les toutes les franges de la société. Mm. Mais le gouvernement m'a appliqué aujourd'hui ce qu'on appelle la politique d'État Le mm. gouvernement mm. avec les différentes institutions. Mais ils sont dans leur rôle. Toutefois, le problème, c'est pas eux. Eux, ils mm. sont sortis pour défendre la personne morale qui est l'État, qui est le gouvernement, qui est l'État. Mais ils sont dans leur rôle. Maintenant, nous, sur quoi nous devons euh, concentrer Si nous devons nous concentrer, moi, nan lañuy fait nan de telle sorte que pouvoir bi gouvernement am ci année yi di ñew ñu mën ko euh, encadrer ba du mëna euh, jël c'est-à-dire ki wara mëna dañ koy justice de koy et nous ci loolu réfléchir chaque jour ci loolu lañuy propositions euh, le mouvement gëm sa chaque jour c'est la raison pour laquelle il faudrait que la population soit impérativement euh, dure ou euh, metti si euh, demande non c'est-à-dire faire de telle sorte que niti c'est un acte qui dans la société nous ko respecter faire de telle sorte qu'il y ait une égalité des chances dans la société faire de telle sorte qu'il y ait une liberté des populations dans cette alors démb euh, que je que bëgg a l'acte Ousmane c'est un trait euh, japonais neen dégâts ëmb yi nga xam te moomoon fii si réew mi Ousmane Sonko mom moy li nga xam nekk moo di sabab exactement dem nak nga daal analyser leur présence en tant que li nga xam que moo un membre de l'opposition ils sont encore une fois ils sont dans le rôle ñoom dañoo génn pour défendre ñi leen jël est-ce que c'est une bi am na euh, le productif est-ce que mujjul nekk un contre-productif ouais mais xam c'est subjectif parce que par exemple pour ñun génn boobu amul sens parce que la population aujourd'hui sonn nañ benn xeetu ou son xam ne li leen gën a ñor. taluñu ko indépendamment de la liberté de des de des des acteurs politiques. Hmm. yi ñuy yi ñuy aujourd'hui buntu xataal population bi li leen ñor mooy nan la ñuy def ba lekk. nan la ñuy def ba naan nan la ñuy def ba am courant nan la ñuy def ba am liggéey de tele sorte que du ñu mën a génn réew mi di di di di di di di. di di dem ci yeneen horizon yoo xam ne xam l'urgence était ailleurs et l'urgence était ailleurs et ñun on en profite pour mastawu sama moroomu jeune yi gaañu ci géej bi yëpp ak ñi dem ba dellu si ñu ngi leen di ñaan ñu toog xeex ak ñun xam dinañu proposer li tax réew mi mën a changer merci beaucoup di aussi mm. euh, ñaanal waa Fass Boy parce que suñu leader mu ngi foofu actuellement di def tournée. di leen ñaan ñu gën a yokk muñ te yàlla saafara seen naqar intervention Sénégal fa nga xam ne itam mooy euh, à travers la CEDEAO euh, la ma si bi. waaw xam la CEDEAO c'est une organisation d'intégration. Hmm. la CEDEAO aujourd'hui décision yu mu en réalité Sénégal da ko appliquer. Hmm. mais le premier problème qui existe c'est le problème entre le Sénégal et hmm. la CEDEAO. Sénégal CDAO, il y a des dispositions Sénégal respecte à travers le parrainage à travers la décision de Khalifa Sall à travers la décision de Karim Wade. Hmm. toutes ces dispositions de la CEDEAO Sénégal respecte. au Niger les décisions qui ont été prises par la CDAO ces dernières années ont été contre-productives. parce que la tendance est renversée aujourd'hui nous n'avons nous, je, je, je, je, tiens à le préciser, euh, nous réaffirmons notre attachement au principe démocratique. C'est-à-dire, que nous, qui le chef de l'État, nous devons aller urne. Mais, quant à Dem Song, nos frères nigériens, pour nous, pourquoi soo demee ONU ONU une organisation une kaw organisation libérée dans le chapitre ci quest chapitre 6 ku indi ay coup d'état militaire wala yini mel ñom li ñi ñëk moy la diplomatie c'est-à-dire dañuy yóbbu eh, dañuy émissaires émissaire émissaires yi suñu waxtané ba paré su nekkee compliqué na ñu embargo la c'est maintenant en dernier ressort avec chapitre 7 bi avec le conseil de sécurité des nations unies lañ lay attaquer militairement mais en dernier ressort ba paré il est nécessaire de préciser que attaque de militaire un mënoo ko def sans une résolution des nations unies ça, c'est le chapitre 7. Indépendamment de ça, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Sénégal, les principaux pays au ils sont pour. Il est nécessaire de rappeler que pour la Côte d'Ivoire, avec l'article 104 du, de la Constitution ivoirienne, hmm. c'est le Parlement qui doit autoriser au gouvernement de faire une intervention militaire. Article, bon, j'ai oublié l'article au, au Nigeria, mais c'est la même chose, c'est les mêmes dispositions. Au Sénégal, l'article 70 mais la même chose. Pour une intervention militaire, il faut une autorisation du Parlement. Hmm. Donc, pour nous, nous sommes... Donc, nous l'Assemblée nationale. Nous avons def ay décision jëmale ko CEDEAO contre ay Mali ak Guinée ñun ñoo ci gëna a sonn économiquement effectivement c'est ça parce que Mali soo ko jëlee ko ils passaient par d'autres frontières pour faire leur euh, approvisionnement. Hmm. Donc aujourd'hui, nous nous Merci beaucoup. Et ça, ça montre une rupture qui existe aujourd'hui entre la, les, chefs et la population. Donc aujourd'hui, bon, ce qui est peut-être anormal, moi, la population est plus pour les putschistes hmm. que pour le gouvernement. Bien vrai que nous réaffirmons encore une fois notre attachement au principe démocratique C'est clair. Donc, nous tous, qui concerne le mouvement nous, nous réaffirmons cela. Mais intervenir hmm. militairement, vraiment, Donc, médiation, solution Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir de la plateau, justement, si pertinent. Wow, euh, la population et toute la commune de Padua que nous avons euh, nous sommes aujourd'hui dans une situation où la population prend du recul. Hmm. et de réfléchir sur les choix de ni fi nous que Nous sommes bi nous amuñu pas espoir je rêvé cher pour nos maman Nous sommes tout ça waral Moy, la politique indi aujourd'hui au Sénégal qui constitue même un échec si si le bi donc nous demandons à la population de prendre du recul te xam ñan lañ fi et nous constituons aujourd'hui un mouvement qui met en place un programme meilleur hmm. et nous invitons la population ñu avons leen di ñaan di leen sàqu ñu suñu programme te ñew and ak le mouvement gëm sa te xamné ne changement bi si ñun la mëna juké jugee. je remercie toute la tout le mouvement de la coalition de sa bopp également Fallou à travers merci beaucoup en tout cas Yaxya si ñu lay remercier bu baax a baax baax si euh, pertinence si ma fatali euh fa nga xam ni it mooy mouvement Gëm sa bopp la daré bok merci beaucoup jëm si wàllu bu nu mel chers téléspectateurs voilà li ma nekkoon seen mission Midi Info bu tay bi on se retrouve demain incha pour le dernier numéro de la semaine Vous suivez nos programmes encore une fois A bu baax l'ensemble des équipes en régie merci beaucoup jaa jëf. Cefas, le centre de